ñoom xamuñu ne. ah xale yi réew ñu rek yow. yow réew de waaye yow. gis nga ba day mel ni mu ngi kubarat jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ah yooyu tam moom ba baatu yàqu. bienvenue sur Dixit, l'émission de Vibe Radio 102.3. Olivia au micro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux invités sur mon plateau. Champion communautaire Daouda et Fama, infirmière chef du de santé du village de ben, ben, ben. Voilà, j'ai bien dit. Hein, <laughs> tu l'as bien dit. super. <laughs> Alors, ils ont une histoire incroyable. Vous avez réussi à accomplir un exploit. Mhm. C'est éradiquer le paludisme dans le village de Benebe. Complètement. Zéro paludisme. <laughs> comment ça s'est passé Fama, on va commencer par les dames. Hein. Merci beaucoup. Voilà, Fama. Bonjour Olivia. Enchantée, merci ça va Merci beaucoup de nous avoir invités, ça va bien, merci. Alors, nous sommes ici parce que, comme tu l'as si bien mhm. dit, nous avons eu zéro palume dans ce village de Bravo je suis venue accompagnée de notre champion communautaire, de, du meilleur. Hein. Je suis mhm. accompagnée du meilleur. Il s'appelle Daouda, c'est un jeune très motivé, très engagé. Je vais le laisser s'introduire et nous parler de ce combat. <laughs> Bonjour Olivia. Bonjour. Voilà, je m'appelle Daouda. Je suis le champion communautaire. Donc, euh, merci de nous avoir invités sur Vive Radio. Merci à toi. ça fait tellement plaisir d'être là. Alors, Daouda, mhm. raconte-nous un peu, parce qu'aujourd'hui, le combat du paludisme, quand même, c'est difficile à mener. Qu'est-ce qui t'a motivé euh, donc ma motivation, elle est personnelle. Mhm. Euh, après deux ans de mariage, qui le ma jabar Ah, d'accord. Alors qu'elle attendait notre premier enfant. Oula. trop, trop, trop. après. Mhm. Chers auditeurs, vous pouvez le comprendre, c'est un moment assez difficile quand même nyokoy Khamal ma ñëw pali moo ko rey ñàkk xaalis tax ñu yóbbu ma ko hôpital ndax mu fayu. Hmm. mais après lañ ma xamal ni ma le traitement préventif pour les femmes enceintes mm-hmm. était gratuit comment difficile hein, vous pouvez comprendre, chers bah, sa femme, qui est enceinte de leur premier enfant. Ça va, Daouda Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, ça va Oui, c'est bon. Alors, explique-nous un peu euh, tes débuts dans la communauté du village de Bonnebeu. Voilà, comme on a l'habitude de le dire, tout début n'est pas euh, facile. Mm-hmm. Donc, euh, la première chose que j'ai eu à faire, mooy dem gisanteeg ak borom dëkk bi. Mhm, euh, waxtaan ak mhm. mu xamal ma lu ci village mhm. donc c'est ce qui a fait que man ak Fama ñu organiser une journée euh, de sensibilisation. dem nañ ci biir école yi waxtaan ak élèves yi. xamal paludisme. mais aussi tamit dénk leen ay dana leen donc après cela ñu dugg ci kër yi borom kër xamal leen nan la ñuy takkee moustiquaire mais aussi tamit nan la ñuy jëlee suñu ay matukaay pour mën a xeex li nga xam ne mooy paludisme. donc euh, après cela euh, on a organisé aussi tamit euh, une journée de de Sessetal. oui très réussite mhm. franchement. ah bien voilà donc femmes yëpp ñëw participer si. quelles sont les difficultés. que tu as rencontrées sur le terrain. toj nañ ko nag. ah waaw beaucoup de problèmes gis nga nag lii li fàtte woon naa sax seet bi fàtte woon naa ah, <laughs> parce que il s'est trouvé que rakou chef de village bi le mhm. praticien ox le fameux ox exactement voilà <laughs> ne supportait pas may dugg ci biir kër yi di sensibiliser les habitants di leen mhm. xamal lan moy paludisme mhm. mais aussi tamit lim ma ci gën marquer moi après góor de doug ci projet bi. Mhm. appelé <laughs> aussi c'est ce qui a fait qu'on a obtenu une réussite totale par rapport à cette journée. grâce à un effort collectif en fait vous avez vraiment réussi à faire reculer la maladie. et c'est franchement formidable. quels sont les objectifs futurs? Donc déjà, on a commencé à recruter des champions communautaires comme moi. <laughs> <laughs> voilà, avec l'aide de femmes. Hein. Mhm. Donc juste pour dire que mhm. il faut continuer à élargir le projet, c'est-à-dire euh, dem ci coin recoin égal aussi population bi. Mhm. waxtaan ak avec les femmes c'est ça. oui. <laughs> plus précisément. <laughs> voilà avec les femmes parce que ñoom la euh, maladie bi gëna sonal. Mhm. ak yi ak xam nga coin yi nga aussi tamit kenn ñu mhm. fa sensibiliser la population l'essentiel mooy que man ak femme suñu xeex yamul fii. dugg ci gox goxaat yi ak population bi pour euh, que xeexu paludisme vachement modifié quoi. En tout cas, bravo, vous êtes une inspiration pour euh, tous les Sénégalais et Sénégalaises. Vous êtes des leaders et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire comme vous. Exact. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci à toi, Olivia. <laughs> voilà, c'était l'émission Dixit sur Vibe Radio 102.3. Okay. À bientôt. Ouais. Ah, les une de di dox moom ah daaw de baadoola la de. Ah, kii kii romb na baadoola yow itam de. ah yow itam waaw mënoon nañoo tudd nag. ah dëgg dëgg mënoon nañoo tudd nag. waxuma la dara waaye sësal gi liñ ci daj rek. ah waxuma la ak topp topp gi ñu ko toppoon kër woo kër ñu dugg ci. lu ne wax nañ ñu ko ci dëgg. waaw lu ne wax nañ ñu nañ ñu ko. paay saytaane yeeg. waaw paay simise yeeg. paay ñàkk ah, liggéey yeeg ah waay ba ñu dugg di jàll traverse kër ox. ox du ñu def lu ne. waaw di xas di wax lu ne waaw waaw ah, ah ox moom xam nga ne moom ox ñu ne. waaw waaye bu dee seral nii rek yaa xamal ne. am lu ko waral wala <laughs> waaye de. ginnaaw yaa ngi jël garab yi nga xam ne moo lay aar ci si siburu ndax jar na ngay tëdd ci biir sànke